In Senegal, West Africa. Female circumcision is a cultural tradition which has been practiced for centuries. It is one of the many terms used to describe the cutting and the removal of the female genitalia. Without circumcision, the women will be deemed promiscuous and unmarriageable. Failure to comply will lead to marginalisation and rejection by their society.

Euh, le centre conseil euh, de Tamba, nous travaillons sur euh, la promotion de la santé des adolescents. Mais nous, nous, avons plusieurs thèmes à développer. Mais le principal thème auquel on s'attaque, c'est l'excision. 146 filles aussi ont été reçues au centre qui ont eu des problèmes, qui ont fait des consultations ici. Et ça a montré que c'est l'excision qui est à la base de leurs problèmes. 146 filles. Et quels sont ces problèmes Selon les fiches de consultation, ces filles qui sont venues, ces 146, c'est les fistules dont j'avais parlé, les IST, les IST, hein? maladies sexuellement transmissibles, les douleurs abdominales, des avortements provoqués, et ainsi que des problèmes de règles irréguliers. temps yooyu ku defut bu ko defee bu buñ waxee ne kii moo koy demal ñu ne ah kooku di defut baax bi kooku jarte dem waaye defut baax bi kooku kay léegi moom kooku defut aada jullit waaw ñu di la saboté daal waaw noonu la daan maam yi def À l'âge de 6 ans, ma propre maman m'a demandé que ma fille doit être exigée. J'ai dit non, parce que je suis contre l'excision. Parce que ma maman a demandé à ce qu'elle vienne passer les vacances avec elle. Pendant ce temps, j'étais à Rufisque. Alors j'ai accepté, j'ai envoyé la fille. Dans un premier temps, mon objectif, c'est que si elle vient ici, elle va comprendre ma langue. Parce que si elle vient ici pendant les trois mois, on ne lui parle que mandingue. Le Wolof, elle comprend déjà parce qu'elle est dans le milieu Wolof à Rufisque. Je voulais qu'elle comprenne ma langue. Mais c'est ça l'objectif. Donc je l'ai envoyée en vacances. Mais pendant les trois mois de vacances, on en a profité pour l'exciser, sans que je ne sois informé. Tout a commencé, mais je ne sais pas si je suis en vacances. Après, ne papa pas yaay ñu dañ may jiitu dañuy dem kii Je tabaski lañ ñëwoon suuf je ne dañ may jiitu fee ñibbi après man ma fekk leen foofu ñu xaar ba sama yaay sama dem après quelques jours cinq deux semaines yooyu rek benn bis ñu yeew ma gis ay mère ci kër bi noonu dugg ci toilette lu nekk may dégg ay xale yu yuuxu ma dégg sama benn cousine bu waxoon tey yow tey yow la tey di nga dee xaw ma lal la ma la mu ne tey yow lañuy jongal xaw ma lan la woon wallira min <coughs> laɓiki tan no weeli koni seeɗa tan min taƴaɗa seeɗa miɗen jogi on tuma wona han a faami mi haala walla so mi taƴi ha gayni miɗa jogino komi waɗi hen alhamdulillahi haydara allah na kam caɗele kono noon mbiɗa andi no muusi anani après ma gis benn xale bu dugg keneen dugaat après ñu ne man la xaw ma woon loolu ma gis ñu jënd ay lamset lu nekk jàpp sama loxo noonu ñu ne dañ may jongal jooy naa yuux naa metti woon na torop fekk sama maam moo fa nekkoon woo naa ko waa faalewu ma woon ah xale yi daañ la ko ñaawale rek ñi nga xamne ya nga and ak say morom amna amna ci ño xam dañu jambar joy il faut ñu ree ñi nga xam dañu ragal di joy deneen lañ ko ñaawalee rek nit ak morom ma rek buñ xuloo ñom way sori yow buñ lay defal nangam na ngaa yow da nga ragalo yow ko ragal nga wa bu ko defé ñu xalé du ko ree rek nag yow nga ragalon motax def ko yow dara yow ñemeexu la wa ma demee sama may questionné naan ma na metti na lu tax lu tax dawuma lu waxuma bu ma ñoom ma ma wax ko mënuma si won dara parce que ñom ñëpp ma jappoon de dañ joy ndax lo xam so ci jaar te paaka la da nga joy kay waaye da nga joy ba ñu di japp sax di daw di di daw ñu dila la ñi nga xam ne ragal dañuy daw ñu di leen responsable Donc, comme je l'ai déjà été informé, quand ma femme l'a su, elle m'a informé que la fille a été finalement excisée par tes parents. Alors j'ai eu du mal. Mais qu'est-ce que je peux Je peux rien contre ma maman, je ne peux pas l'abandonner, je ne peux pas euh, donc c'est le, poids de la famille, de la culture sur nous tous. C'est pourquoi je disais tantôt, il faut des stratégies, stratégies vraiment bien réfléchies, n'est-ce pas, pour pouvoir euh, vaincre euh, l'excision. Pourtant, aujourd'hui, ma fille, elle vit avec le traumatisme. Elle a aujourd'hui 14 ans. Elle a été excusée à l'âge de 6 ans. 8 ans après, elle vit le traumatisme jusqu'à présent. Parce que moi, si je suis psychologue, je travaille dans un milieu social. Je connais. Même avant-hier, jeudi, je l'ai amenée ici en consultation parce qu'elle a des problèmes de règles irréguliers et tout. Je sais que ma fille, aujourd'hui, elle porte les séquelles de, de, de, de l'excision. C'est pourquoi moi, aujourd'hui, je suis un combattant, n'est-ce pas, de l'excision. Wow, c'est bien. day suis content. defal suis content. Je suis content. defal suis content. Je bi content. bi suis fekk defal suis content. Je xam nga kuñ defal sa Je kay da nga kontaan ngay bég sawar buñ la sangaa kay ñu a la ay bëy ay In January 1999, the practice of female circumcision was outlawed, carrying a five-year sentence. Most organisations have found that people will collectively abandon the practice of their own free will. disais tantôt, la loi à elle seule, ça ne suffit pas. Tu es d'accord avec moi La loi à elle seule, ça ne, ça ne suffit pas. Mais la loi, ça doit s'accompagner du programme d'information des populations. Là, en ce moment, la loi peut venir en renfort. Parce que si les gens sont suffisamment informés et continuent à le faire, là, on va les répresser. Mais tu ne peux pas venir euh, prendre quelqu'un, le mettre en prison, alors qu'au départ, il ne sait même pas ce quoi, il n'est pas informé. Mm. no welimi aɗa anndi ko ɗum tawmi ko tawɗa aada ma accata ɗum kono noon sa janngi eyi sa janngi a yii heen yurmende a yii heen nafoore alfof ma sa janngi tan a yiyat heen ko heewi accinma ko heewi eyi ko jangde nde taki haa gaccumi ɗum Tostan is a non-governmental organization It's an international organization with headquarters in Chess in Senegal. We did not say to them, oh, this is bad, you shouldn't be doing this. We simply said, you're doing it because you love your daughters, but do you realize the health consequences? Do you realize the human rights violations? Do you understand what can you do about that? So when the first village decided to abandon we were more surprised than anyone. And that was on, in July, on July 31st, 1997, we had a group of women who stood up in Malikunda Bambara and said, we have decided to abandon. We are not ashamed to say it. We are not afraid to say it. We will say it publicly in front of 20 journalists. We have decided to end this because we know the consequences and we also know our human rights. boo gisee ñu bàyyi ko ñu dem ba di ko bàyyi léegi maanaam njàngu tostan tax ndax tostan bi mu ñëwee ci réew mi léegi di ñu jàngal mu won nañu lii kat su ngeen ko baxee nangam la lii su ko baxul nii la ci leen xaw a baxee aada boobu léegi léegi ñu ngi koy daw bu baax ndax njàngu tostan beti hmm, kantaaka saabu mi janngi tostan ko ɗum taki ɓe tikkanta kam mi faami aduna mi faami ko woni heen ɓe tikkantami ko ɓe dañatno ko ɓe dañi ɓe wuuri haa ɓe mbaɗi ɗum ɓe mbaɗani sukaaɓe maɓɓe ɓe maayi allah naɓii ɓe neɗɗo fof ko liggey moƴƴo tan waɗata ko ɗum naɓirta eeyi min noon komi waɗatno ɗum puɗɗimi ɗum ko rawani nde puɗɗimi ɗum kisa sañaan ari min mbindi toon tostan ande nayejo maayatɗo waɗi dandandi kurko kecco ara jangin ma a andi ko woni ko an ko wonani hoore ma fof a andi aɗa andi ko allah e tostan señano saw ɓe mbiyanna aɗa janggina nayeɓe mayatɓe kono min janggi ko heewi hen ɗum alano e amen anani ma jangale ba pare mettiɗum am mojana pire toute ma vie fomo tawne yakaruma jongal sama domi par ce que def may rappele sama souvenir enfance